Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. La réunion du 15 au 19 mai à Niamey de la commission mixte au sujet du retrait en ordre et en toute sécurité des forces américaines du Niger. À suivre dans le forum de la presse, la levée provisoire du blocus imposé par le Bénin au pétrole nigérien en attendant la reprise des bonnes relations avec le Niger. L'actualité, c'est aussi cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel vendredi 17 mai à Niamey. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. pour coordonner le retrait en ordre et en toute sécurité des forces américaines du Niger. Une euh, commission mixte du désengagement s'est réunie du 15 au 19 mai à Niamey. Il s'agit des représentants du ministère de la Défense nationale et du département de la Défense des États-Unis. Au sortir de leur rencontre, il est convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024 selon le communiqué conjoint. Rappelons-le, les États-Unis d'Amérique comptent quelques 1100 soldats stationnés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On va commencer avec vous, Maimouna Diado. Quatre jours après l'arrivée d'une délégation américaine à Niamey, les États-Unis et le Niger ont annoncé dans un communiqué commun le 19 mai avoir trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines. Comment les Nigériens ont-ils accueilli la nouvelle Bon, tout comme euh, euh, les autres Nigériens, mais moi ce que je sais, c'est que ont bien accueilli euh, le communiqué final qui parle du retrait des troupes américaines du sol nigérien et de la manière dont ça va se passer, la procédure qu'ils vont suivre pour que ça puisse réussir. je pense que c'est déjà attendu par les Nigériens, parce que les Nigériens attendaient un communiqué conjoint. Attendez déjà le communiqué final qui va donner autorisation des deux parties euh, de voir comment est-ce qu'il faut faire. Parce que si vous regardez, il y a eu quand même un accalmie autour de déclarations sur le départ. au, niveau du Front Social. Au niveau du Front Social, puisque avant c'était vraiment des déclarations. Euh, les gens voulaient savoir coûte que coûte comment est-ce que les Américains vont quitter le sol nigérien ou pas. Est-ce qu'ils vont le faire comme l'a fait les Français On se posait beaucoup de choses. Le Nigérien se posait beaucoup de choses et maintenant le Est-ce qu'il y aura des résistances oui, tout ça, c'était une des préoccupations des, uns et des autres. Est-ce qu'il y aura une résistance Est-ce que ça sera la même manière que les Français ont imposé une résistance avant de quitter Est-ce que ça sera le même cas euh, chez les, Américains Donc voilà donc le communiqué final, le communiqué donc euh, conjoint vient élucider la lanterne des uns et des autres par rapport à ce retrait. Il n'y a pas d'inquiétude au sujet des autres relations. Je ne pense pas euh, que ça pourrait avoir une inquiétude puisque c'est une délégation américaine qui était ici et qui a vu euh, euh, les, autorités nigériennes pour en discuter. Donc, s'il y avait un impact que ça allait avoir, ils, auront pris les devants pour pouvoir dire... comment le Niger va-t-il entretenir euh, des bonnes relations après le retrait des forces américaines avec les, États-Unis Mais je pense que les relations continuent. Les relations continuent du moment où, est du moment où c'est seulement les forces étrangères que le Niger a décidé de leur retrait. Donc ça veut dire que comme ils n'ont pas touché aux autres également euh, relations, euh, ça veut dire que les États-Unis restent auprès du peuple nigérien. Les États-Unis sera là pour investir dans le développement du pays de toutes les mille manières. C'est, on a notre plein droit, le Niger a plein droit de dire qui va rester euh, dans son pays, qui ne va pas rester dans son pays. Mais ça, c'est la sécurité. Et ce n'est qu'une partie de cette sécurité que le Niger a décidé aujourd'hui que la présence de ces forces-là n'arrange rien au peuple nigérien. Donc, ça veut dire qu'avec la présence de ces Américains, ou sans la présence de ces Américains, les forces, euh, nos forces de défense et de sécurité peuvent relever le défi au niveau donc de euh, cette situation sécuritaire. Bon, les autres relations, ça continue bien sûr. C'est pas aujourd'hui que les États-Unis et le Niger sont devenus quand même des partenaires. Ça date de ça Date de longtemps, c'est pas aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que mettre en cause certaines euh, certaines euh, relations à cause seulement de ce que nous avons demandé, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire partir les forces françaises, et euh, les forces françaises et laisser les forces américaines. Et je suis sûr que les autres forces aussi qui sont présentes sur le sol nigérien suivront peut-être les forces américaines après. Ce sont des étapes. Merci beaucoup, Mme Diado. Hassan Boukara, le Niger et les États-Unis trouvent un accord pour le départ des troupes américaines fixé au plus tard le 15 septembre. Quelle est votre opinion au sujet de cette situation Merci. Alors ça montre que euh, les rapports euh, que le Niger a avec les États-Unis sont quand même différents des types de rapports qu'on a avec la France. On voit les conditions dans lesquelles l'armée française a quitté le Niger il était huillé, les gens criaient sur eux, il était presque en otage, encerclé par des manifestants avant de partir, puisque la France a un type de rapport vraiment de type néocolonial avec ses anciennes euh, colonies africaines. Donc les Américains considèrent que bon, si les Nigériens disent euh, qu'il faut s'en aller, eh bien, il faut, il faut partir. Et donc, je pense que c'est de bonnes guerres, c'est une discussion, une entente entre les deux pays de façon à ce que l'armée américaine puisse partir. Je pense qu'une des leçons que les Américains vont retenir, c'est le fait que pour prendre des décisions aussi importantes qu'installer une base militaire dans un pays, il faut que ça repose sur quelque chose de solide. Il y a certes la volonté des Nigériens de dire on ne veut pas de forces étrangères. Quelque sur notre chose de solide. Euh, quelque chose de solide, par exemple. Quand on, on exhibe ce fameux accord euh, verbal entre euh, les États-Unis et le Niger pour faire un investissement important, notamment je parle de la base d'Agadez, pour amener plus de 1000 soldats dans un Il faut formaliser les accords. Il aurait fallu, par exemple, passer par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, je pense qu'une des choses aussi dont souffre euh, cette, euh, cet accord militaire, c'est la légèreté avec laquelle les États-Unis ont accepté de faire tous ces investissements n'est-ce pas, d'amener plus de 1000 soldats et de se rendre compte aujourd'hui qu'ils sont obligés maintenant de retirer tout cela. Donc, alors, je, pense que c'est une leçon qu'ils doivent, qu'ils retenir. Et les autres pays aussi, à mon avis, il faut désormais tenir compte de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont fait confiance à un exécutif. L'exécutif leur a dit oui, il peut venir, etc. Il y avait déjà des voix qui faisaient croire que, selon la constitution du Niger, avant d'installer une base étrangère, il faut quand même consulter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y avait tout cela, mais euh, les Américains se sont installés presque en catimini. Rappelez-vous qu'il a fallu ces attaques autour de Tongo Tongo en 2017 pour qu'on se rende compte qu'il y avait en fait des centaines de soldats américains sur le territoire nigérien. C'est quand même une décision importante qui est d'installer de, une base. Donc aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de quitter finalement parce que les nouvelles autorités les font, les font partir. Et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, il s'agit vraiment de rapport d'État-État. Ce n'est pas une animosité vis à -vis de l'armée américaine, mais c'est une façon de dire dans les rapports entre États, on choisit le type de rapport qu'on veut. Aujourd'hui, l'USAID dit, malgré le départ de l'armée américaine, on va continuer notre aide. L'ambassade des États-Unis est bien là. La coopération bilatérale. la coopération bilatérale continue. Donc, elle est aussi importante entre le Niger et, les, États-Unis. Mais la seule chose que le Niger dit, écoutez, une armée étrangère sur notre territoire, c'est une anomalie. C'est ça qu'on veut corriger. Et donc, je pense que c'est peut-être une bonne chose aujourd'hui qu'on arrive à un accord entre les deux États de façon à ce que l'armée américaine puisse quitter. Hassan Boukara, le délai du 15 septembre vous paraît raisonnable, acceptable Écoutez, la question des délais, pour moi, relève des questions techniques entre deux États c'est quand même des responsables militaires au plus haut niveau et des responsables politiques qui ont discuté ces questions-là. On peut penser que d'un point de vue technique, il fallait ce délai pour que l'armée américaine puisse partir. Parce que toute la question, ce n'est pas d'amener des avions et de prendre les soldats, c'est aussi de démonter tout ce qui a été installé autour de cette base. On a l'impression que pour les Américains, le type d'installation qui a été fait, en tout cas au vu des montants engagés, on parle de 100, de plus de 100 millions de dollars, ça laisse croire qu'il était là pour la durée. Et donc les investissements ont été faits pour la durée. Aujourd'hui, euh, quelques temps seulement après leur installation, se voir obligés de quitter, ça veut dire qu'il faut défaire tout ce qui a été fait autour de ces bases, notamment à Gadez. Et donc, donc, ça prend nécessairement du temps. Ça prend nécessairement du temps. Et donc 15 septembre, dès lors que le Niger l'a accepté, on suppose que les autorités qui l'ont demandé sont quand même sensibles et ils imaginent peut-être la nécessité d'aller jusqu'à ce délai-là pour que les Américains puissent plier totalement bagage du Niger. Merci beaucoup Hassan Boukara Abdoulaye Soumana. Deux mois après la dénonciation de l'accord de coopération militaire par le régime de Niamey, arrivé au pouvoir en juillet 2023, les forces américaines commencent donc à plier bagage Selon vous, quelle sera l'issue euh, de cette euh, affaire Oui, merci Mokhtar. L'issue, déjà, il faut se réjouir du fait que au plus tard, le 15 euh, septembre, les forces américaines vont quitter. Il faut également se réjouir du fait que les quatre jours de négociation ont été empreints d'une certaine transparence, d'une cordialité et également d'un respect mutuel. Je crois que ce qui avait précipité Niamey à demander le retrait de ses troupes euh, américaines, c'était surtout la dernière visite de la secrétaire, sous-secrétaire euh, américaine qui était venue et qui avait foulé au pied les, règles de bienséance euh, diplomatique, ce qui n'avait pas plu à Niamey, et qui a fait que pendant 48 heures... en euh, voulant imposer un délai, euh, un chronogramme, un, chronogramme... Effectivement, en voulant d'abord imposer un chronogramme pour la durée de la transition au niveau du CSC. E. Et deuxième chose, c'est qu'ils voulaient, n'est-ce pas, euh, menacer le CNSP par rapport à certaines euh, prises de décision, notamment dans les relations que le CNSP entendait prendre avec euh, certains pays et de projet de suspicion, n'est-ce pas, donc avec euh, une, certaine vente, n'est-ce pas, de, l'uranium à, l'Iran. Maintenant, tout est pratiquement derrière nous, toutes ces suspicions. Peut-on parler d'un dénouement heureux au sujet de cette affaire Non, je crois qu'il n'y avait pas une levée de bouclier, il n'y avait pas de crise pour qu'on parle de, de dénouement. Maintenant, il y a eu une volonté affichée de Niamey de dire, nous, désormais, on va revoir tous les accords qui nous lient avec euh, nos différents partenaires, surtout l'installation des bases euh, militaires. On va revisiter tout le contenu des différents accords et revenir, n'est-ce pas, sur la table de négociation. Maintenant, il s'était trouvé qu'aujourd'hui, le Niger estime que euh, les Américains qui étaient venus de prime abord dans un contexte pour dire qu'ils vont nous aider pour lutter contre euh, le, terrorisme, n'ont pas n'ont rien fait dans ce sens. Le Premier ministre a été clair, il l'a dit, il l'a réitéré pas plus qu'avant-hier avec. Euh, ils n'ont rien fait ou bien les attentes étaient un peu grandes au sujet de la lutte contre le terrorisme. Je ne crois pas que les attentes puissent être aussi grandes pour une armée américaine dans la lutte contre le terrorisme dans un pays sahélien que le, comme le Niger. Je n'en crois pas. Mais seulement ils ont voulu, n'est-ce pas? rester chez nous avec d'autres projets. Le premier, je vais de le dire, avant-hier, elle a dit que euh, l'armée américaine n'avait pas aidé, n'avait pas été solidaire avec euh, l'armée nigérienne dans la lutte contre le terrorisme au, Niger que nous avons vécu. Euh, je crois autre chose, la non-maîtrise, n'est-ce pas, de l'effectif, n'est-ce pas, de, des militaires français. Également, il a posé la question au ministre. Au, militaires américains. militaire américain. Oui, oui, oui. Jusque-là, le ministre de la Défense nationale, euh, le général de corps d'armée euh, Salifou Maudit, qui fut à l'époque euh, chef d'état-major général, ne maîtrisait pas, lui, n'est-ce pas, l'effectif réel des soldats américains sur notre sol. Donc il y a vraiment des zones d'hommes, il y a un flou artistique qui a entouré cette présence de, l'armée, des, militaires américains sur notre sol, et que Niamey dit non, Maintenant, on va se respecter et maintenant, vous allez tout simplement plier bagage tranquillement. Et je crois les Américains ont compris euh, cette euh, nouvelle donne et ils ont accepté de plier bagage tranquillement et dans un délai relativement euh, long pour certains, mais court jusqu'au 15 septembre. Abba vient de le dire, hein, c'est du point de vue purement technique, c'est les militaires eux-mêmes qui, s'y connaissent dans ça. Il faut démonter certains matériels, etc., etc. Ça va prendre du temps. L'un dans l'autre, les populations nigériennes, dans leur écrasante majorité, se réjouissent de cette euh, situation, de ce dénouement, pour emprunter votre expression, de ce dénouement heureux, n'est-ce pas, plus ou moins pour l'instant, on estime, on attend de voir comment ça va se vérifier avant le 15 septembre. Rapidement, vous avez quelque chose à ajouter, euh, Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais euh, on souhaite tout simplement que le, retrait. se fasse euh, dans la possibilité donc euh, la plus comment est-ce que je veux la plus belle manière de la plus belle manière civilisée voilà ce qu'on a vu avec les français il ne faut pas que ça soit également euh, le même cas avec les Américains. Ah, Mais je pense que ça ne va pas se faire parce que quand même, il y a une civilité au, <laughs> niveau donc, des Américains. Merci beaucoup, Mme Hassan Boukar, rapidement. Mais je, je pense qu'il faut aussi que les Nigériens retiennent les leçons. Je pense qu'il faut que les gens sachent que les questions de sécurité, c'est quand même des questions importantes sur lesquelles il faut tenir compte aussi de l'opinion. Euh, dès que les premières bases ont commencé à être installées au Niger, on a toujours dit que l'opinion publique nigérienne est opposée. Le régime a forcé la main à tout le monde. Aujourd'hui, on voit les résultats. Les puissances qui ont accepté de jouer le jeu de l'exécutif de l'époque, aujourd'hui, se retrouvent finalement face à la réalité. Donc il y a une opinion qui est opposée. Je pense que désormais, il faut se dire qu'il y a un acteur dans l'espace public qui est l'opinion, il faut en tenir compte. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, le retrait des forces américaines du Niger. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou le Bénin a levé provisoirement le blocus imposé au pétrole nigérien en attendant la reprise des bonnes relations avec Niamey. Il a autorisé le chargement du pétrole par le premier navire déjà sur place depuis le 17 mai passé. Cette décision est intervenue à l'issue d'une rencontre la semaine dernière entre le président béninois et des émissaires chinois. Hassan Boukara après l'attention, l'exportation du pétrole brut nigérien à partir euh, du Bénin est effective depuis dimanche 19 mai 2024. Le premier tanker autorisé par le gouvernement béninois a embarqué un million de barils euh, du brut. Peut-on parler de dégel entre le Bénin et le Niger Alors, c'est difficile de parler de dégel. L'impression qu'on a, c'est que euh, là, le pétrole est quelque chose d'extrêmement sensible au vu des réalités qui vit le Bénin aujourd'hui, notamment une sorte de crise sociale, crise économique liée un peu à la vie chère. Engendrée aussi par la fermeture des frontières. par la fermeture des frontières. Les autorités béninoises avaient pensé utiliser le pétrole, qui est un produit sensible, pour essayer de décanter la situation. Mais je pour essayer de décanter ou bien pour faire du chantage On peut l'appeler ainsi, mais je pense que l'idée derrière, c'était d'arriver à utiliser le pétrole pour débloquer la question de la frontière. J'imagine que c'est bien ça qui est l'idée derrière, puisque le président béninois s'est exprimé sur la question. Mais là, euh, alors, euh, il se trouve qu'il y a un troisième larron, qui est la Chine, qui a investi beaucoup d'argent. Qui entretient aussi des relations avec le Bénin. Voilà, qui a les moyens de protéger ses intérêts. Et donc, c'est bien ce que les Chinois ont montré, puisque en amont du départ de ce bateau, une délégation chinoise est quand même arrivée à Cotonou. Elle a parlé avec les autorités et ça a permis de débloquer la, situation. Alors, les Béninois disent c'est provisoire et que s'il n'y a pas d'entente, euh, on pourrait toujours revenir, etc. Mais au fond, la question que ça pose, je pense que les, les Béninois oui, ils vivent une situation difficile et donc je peux comprendre un peu la réaction des autorités béninoises. Peut-être qu'ils n'ont pas choisi la bonne méthode, puisque là, beaucoup de gens ne seront pas surpris par cette levée provisoire au moins, euh, puisque au vu des accords, des engagements pris par le Bénin, beaucoup de responsables administratifs nigériens s'attendaient quand même à ce qu'il y ait cette levée du blocage, étant donné que les engagements était assez clair et le Bénin n'était pas censé revenir sur ses engagements qui sont à la fois qui concernent le Niger, le Bénin, mais aussi la Chine qui est le partenaire de tous les deux. Au-delà de la question du pétrole, je l'ai dit moi il y a quelques jours ici dans ce studio, nous sommes vraiment deux voisins condamnés à nous entendre. Le Niger et le Bénin sont deux pays qui Partagent presque les mêmes réalités. Je pense que autant aujourd'hui si le Niger persiste, et apparemment on va vers ça, puisque la dernière sortie du Premier ministre croire qu'elle a levé, euh, en tout cas l'ouverture de la frontière n'est pas pour demain, on a bien entendu mais ça est clair, la persistance des autorités béninoises à aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils peut faire en sorte que Avec la crise, le euh, voilà, la crise peut être durable de par ces positions-là. Or, je vois bien les autorités de la transition, qu'est-ce qu'elles jouent aujourd'hui elle joue des alternatives en disant nous avons parlé avec l'Algérie, nous essayons. La Libye. La, Libye, le Togo a été déjà la porte ouverte, mais aussi récemment, euh, et, ce n'est pas passé inaperçu. Euh, les responsables de la commission mixte nigéro-nigériane ont été reçus par les autorités. Il y a un projet extrêmement important qui se joue, notamment entre Katsina et Maradi, ce projet de chemin de fer. On a raté le chemin de fer Cotonou-Yamé, mais ce projet-là, qui est financé par le Nigeria, apparemment, il se poursuit en bonne, en bonne route. Et un des enjeux de ce chemin de fer, c'est de faire en sorte que le port de Lagos puisse être utilisé par les commerçants nigériens de façon à ce que les marchandises qui arrivent à Lagos puissent être débarquées à Maradi. Au fur et à mesure. Dans un bref délai Oui, peut-être, parce que euh, s'il n'y avait pas eu cette crise, peut-être que les choses auraient pu encore avancer beaucoup plus vite. En tout cas, à écouter les, discours à l'issue des, audiences reçues par les, par ces, accordées à ces autorités de la Commission, ça laisse croire que ça suit son chemin, c'est en bonne route pour qu'on arrive à ça. Ça veut dire peut-être qu'à moyen et à long terme, le Niger peut développer plusieurs alternatives qui font qu'il y aura moins de pression sur l'axe Cotonou-Cotonou-Yamé. Donc, on peut trouver des alternatives. Mais pour l'instant, en attendant qu'on arrive à le faire, il faut trouver une entente sur le pétrole Chacun a intérêt, le Bénin a des intérêts, le Niger a des intérêts, et derrière, c'est chapeauté par un tuteur qui est la Chine. À mon avis, ils doivent continuer à travailler. Mais encore une fois, la question, ce n'est pas simplement le pétrole, c'est aussi les autres relations entre le Bénin et le Niger. Et pour ça, à mon avis, il faut qu'ils trouvent, il faut qu'ils jouent bas la terre. Il faut forcément qu'il arrive à, à... Mais pour l'immédiat, j'ai peu d'espoir. J'ai l'impression que au vu de la position que prend le Bénin, la réplique qu'il y a du côté de Yamé, l'impression que j'ai, pour un certain temps encore, la frontière risque d'être fermée. Merci beaucoup, Hassan Boukara. Abdoulaye Soumana, l'opération devrait se répéter toutes les deux semaines en situation normale. C'est un premier chargement autorisé de façon ponctuelle et provisoire par le Bénin. Que faire pour un retour à la normale au sujet des relations entre le Bénin et le Niger oui, euh, par rapport à cette question du pétrole, il faut retenir tout à l'heure, Hassan Boukara disait que le Niger et le Bénin sont condamnés à vivre ensemble. Oui, le Bénin et le Niger sont condamnés à vivre ensemble nous sommes un peu divisés à cause surtout de cette euh, sanction que nous avons vécue avec euh, la CDAO au lendemain de la de l'avènement au pouvoir du Conseil supérieur, Conseil, national de la, sauvegarde de la, patrie. patrie. le 26 juillet où euh, dans la batterie de sanctions que la CDAO a eu à prendre contre notre pays, des sanctions jugées inhumaines, iniques, euh, illégitimes, illégales, etc., avec toutes les connotations et épithètes euh, possibles, n'est-ce pas que le Bénin, avec cette menace, surtout la menace, n'est-ce pas, donc d'agression de notre pays, le Bénin s'était illustré comme étant un pays va-t-en-guerre alors, cette posture de talon dans cette situation, aux côtés de certains de ses pairs qui ont fait profil bas, a fait en sorte que Niamey n'a pas confiance à, Cotonou. Niamey n'a pas également confiance à Cotonou parce que tout simplement les soldats français qui ont été eh, chassés notre, de, de notre pays auxquels les militaires nigériens ont refusé, n'est-ce pas, euh, toute sortie à travers par le par, la frontière du Bénin. Du Bénin, effectivement, n'est-ce pas Ces mêmes soldats français se retrouveraient actuellement au, Bénin et seraient même euh, plus ou moins au, nord, notamment dans certaines bases, euh, la base de vers la frontière nigérienne. La, frontière nigérienne. lors de son dernier point de presse, le premier ministre nigérien Lamine Sen a eu à relever quelques cinq, cinq base n'est-ce pas, ou en tout cas euh, camps dans lesquels seraient entraînés des, en tout cas seraient entraînés des terroristes pour venir toujours dans cette optique de d'agresser notre notre pays. Alors cette situation étant toujours là, le président Talon a encore euh, fait un tour de vis, n'est-ce pas, en tentant de bloquer le chargement du brut euh, nigérien qui était pourtant allé jusqu'à euh, au, port de Semé Podji. Il a fallu l'intervention, l'implication directe n'est-ce pas, et, efficace, n'est-ce pas, donc de, la Chine qui est au centre, n'est-ce pas, donc de ce projet Niamey du pipeline. Du, du pipeline face à un déplacement à Cotonou rencontré au palais de la Marina Patrice Talon. Et quelques petites minutes, quelques petites heures après, le ministre des Affaires, le ministre des Mines béninois sort pour faire une conférence de presse ou un point de presse pour dire que le Bénin a euh, levé provisoirement de et de façon temporairement et de façon ponctuelle le chargement du brut nigérien et que il y aura une, une, la douane nigérienne, la douane nigérienne aurait écrit pour dire qu'elle prendra part au chargement. Alors, chemin faisant, et si cette correspondance avait vu que moi, je n'ai pas, pas vu, il reste cependant à relever le fait que dans ce chargement du brut euh, du pétrole euh, nigérien qui était intervenu le vendredi et qui a le vendredi à 17h30 et qui a pris fin le dimanche à 1h euh, du matin, soit quelque chose d'une durée de 1 h 30 minutes, n'est-ce pas Il n'y avait aucun officiel, ni nigérien, ni béninois. C'était tout simplement la presse béninoise qui a été convié par la CNPC, qui a pris part, n'est-ce pas, à ce... cette situation est déplorable selon vous Cette situation est vraiment déplorable et ça montre en réalité que c'est pas... Euh, jusque-là, le terrain, la calme n'est pas encore arrivée parce que les deux pays ont, les deux les autorités des deux pays, les, les autorités du Niger et du Bénin on, on boycottait le premier chargement qui peut être même vraiment historique. Alors là, on peut se dire que c'est pas demain, n'est pas lavé pour que euh, les, relations entre Niamey et Cotonou puissent reprendre rapidement. Deuxième chose et dernière, ah, dernière information rapidement, Monsieur Mokhtar, c'est que euh, le mercredi passé également, le Bénin a pris une, importante décision en fermant, en, radicalement, n'est-ce pas, euh, la frontière fluviale de son, de, le son passage côté. Fluvial le passage fluvial comportait, comprenait de deux côtés les communautés, à savoir ceux du Niger et du CAE qui sont de deux, de deux côtés de la, de la frontière, et n'est-ce pas, ouvrir un, un corridor sur le, avec l'État de Kébi. Donc ça veut dire tout simplement que c'est vrai, le Bénin est en train de chercher une porte de sortie pour pouvoir faire sortir ses euh, euh, ces produits. Mais il reste également à montrer que ce n'est pas encore demain la veille pour pouvoir, n'est-ce pas, revenir à des meilleurs euh, sentiments. Merci beaucoup, Ablaï Soumana Memouna Diado. Euh, cette autorisation ponctuelle et provisoire ne saurait être une règle de conduite, a néanmoins prévenu le ministre devant la presse à Cotonou, faisant comprendre que le Bénin pourrait suspendre une nouvelle fois son autorisation en cas de manque de coopération de la part du Niger, notamment sur la réouverture totale de leurs frontières communes. Comment expliquer une telle tension entre des pays voisins <laughs> Comment expliquer C'est un peu vaste, parce que si on, doit commencer par le commencement, on dira que c'est d'abord le Bénin qui avait commencé à suivre d'abord les sanctions de la CDAO, ce qui n'était pas attendu par le peuple nigérien et les autorités nigériennes, puisque s'il y avait un pays qui devrait quand même soutenir euh, le, Niger dans la situation, le Bénin faisait partie. Donc ça, c'est la goutte d'eau qui a fait, déborder, le, vase. le vase. Ça a commencé d'ici pour euh, être dans cette situation où nous sommes. Euh, malheureusement, ce que les deux parties ne regardent pas, c'est que aujourd'hui, ça ne dépend pas en fait des, deux parties, ça ne dépend pas des autorités nigériennes. Et, ça dépend de qui alors Non, non, c'est pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce que les autorités béninoises et nigériennes sont en train de faire, on doit d'abord regarder la situation des deux peuples nous sommes quand même des, peuples euh, amis, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous avons aujourd'hui des Béninois qui vivent ici avec nous ici au Niger, qui ont des familles ici au Niger, qui se sont mariés à des Nigériens. Nous avons la même chose des euh, Nigériens au Bénin qui là-bas au Bénin là-bas. Mais si la situation, est-ce que aujourd'hui ils n'ont pas peur que cette situation euh, va jusqu'au-delà de la comment faire pour que cette situation n'aille Mais c'est ça, c'est qu'ils n'ont qu'à revenir à de meilleurs sentiments. Moi, je pense que talent, c'est un laps de temps. Il va partir de toutes les manières. qui, t'a dit ça Non, mais je le dis parce que je sais qu'il ne va pas être éternellement là-bas, à la tête du Bénin quand même. Il faut, voilà, il faut regarder qu'aujourd'hui, on ne négocie pas avec des humeurs on, négocie en, fonction, des, intérêts des, deux pays. Nous sommes deux pays. De toutes les mille manières, le Bénin a besoin de nous comme le Niger a besoin du Bénin. Aujourd'hui, fermer une frontière, ne pas laisser cette frontière ouverte, ou bien fermer, prendre une décision pour euh, euh, fermer le corridor entre le Niger, fluvial entre le Niger et le Bénin, moi je, me dis que ça n'arrête personne. Ça n'arrange ni le Bénin, ça n'arrange ni le Niger. Maintenant, c'est de s'asseoir sur une table de euh, négociation, regarder comment est-ce qu'il faut pouvoir au moins sauver. Quand je dis au moins sauver, c'est au moins sauver ce peuple-là, le peuple nigérien et le peuple béninois. Parce que nous sommes des frères. Aujourd'hui, il ne faut pas que cette histoire de, talent ou cette histoire de nos autorités nous amène à ce qu'on ne veut pas la tranquillité des deux communautés, c'est ça qu'on cherche. Aujourd'hui, euh, <laughs> le Bénin ne pourrait pas encore dire qu'ils vont de toutes les manières avec le, le problème du pétrole, que non, c'est juste un temps qu'ils ont donné pour que ça puisse passer et revenir encore. Non, c'est des protocoles d'accord qu'ils ont signés. Mais malgré l'existence de ces protocoles d'accord. Est-ce que dans les protocoles d'accord. Le, Bénin a bloqué. Non, mais est-ce que dans le protocole d'accord, est-ce qu'il est dit qu'il faut d'abord que le Niger ouvre sa frontière avec euh, le Bénin pour que le protocole d'accord puisse euh, <laughs> exister. Le protocole d'accord existait bien avant qu'on que ferme les frontières entre le Niger et le Bénin. Ça, ce sont des excuses. Mais moi, je ne vois pas. Aujourd'hui, même le pétrole, le, Bénin, hein, on va en profiter de toutes les manières. Donc, ceux euh, qui va m'aider et ceux et ce dont je vais profiter, <laughs> mais pourquoi est-ce que moi, je vais euh, m'opposer à ce qu'aujourd'hui on achemine le pétrole. Ablaï Soumana, vous étiez resté à, au Bénin. Euh, comment ramener euh, rapidement la sérénité entre euh, les deux pays, le Niger et le Bénin, rapidement non, je En 10 secondes Non, la sérénité, c'est au niveau du pouvoir public. Hein. Je crois que maintenant, il faut préviser le, le, le, dialogue. Il y a des, responsables qui ont pratiquement, quand on prend les personnalités, de hautes personnalités, à l'instar de la trempe de Soglo, n'est-ce pas Je crois que on peut. Et si Mathieu Kérékou était là, moi je pensais qu'il n'y aura jamais cette situation. Donc Talon aussi, en fait, Talon c'est un opérateur qu'on puis il faut le relever. Mais maintenant, qui a pris plus ou moins en otage le, le Bénin, mais je crois qu'il faut privilégier là le, le, le dialogue et il y aura toujours des personnes vraiment indiquées pour amener les deux pays, les deux autorités à regarder dans la même direction pour le bonheur et la cohésion pacifique de nos, de nos, deux, de nos deux peuples. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Ouverture vendredi 17 mai à Niamey de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre constitue la dernière ligne droite de l'adoption du traité de la Confédération de l'AES, a indiqué Bakari Yahoussangre, ministre nigérien des Affaires étrangères. Abdoulaye Soumana, à l'issue de la réunion, les trois pays ont réaffirmé leur ferme détermination à travailler ensemble en vue de faire de l'AUS un outil privilégié de défense, de diplomatie et de développement. Quelle analyse cette réunion de Niamey suscite en vous rapidement Oui, mon opinion, c'est que la rencontre de Niamey a coïncidé avec les dix mois de la volonté de créer, n'est-ce pas, l'AES à Niamey. C'était donc le 16 euh, septembre 2023. Et le 16 euh, mai dernier, les experts étaient d'abord réunis et le lendemain, le 17, les ministres des Affaires étrangères de l'espace EAS euh, e e sont réunis dans l'optique, n'est-ce pas, d'aller un peu vite, n'est-ce pas. Et cette réunion de Niamey faisait suite pratiquement à une rencontre tripartite entre les mêmes ministres des Affaires étrangères le 3 mai, n'est-ce pas, à Banjul, où les trois ministres ont exprimé la, volonté de se voir rapidement pour pouvoir donner un coup d'accélérateur par rapport à ce projet de, de, de l'AES. est là une création maintenant qui manque, n'est-ce pas, donc de cadre juridique et institutionnel et c'est à cela que les ministres des Affaires étrangères s'étaient attelés pour examiner l'avant-projet de création, n'est-ce pas, donc de... certains, certains compatriotes nigériens, maliens et burkinabés pensent que le projet marche au pas des caméléons. pas de... Juste c'était vraiment l'impression que ça a donné euh, depuis le lancement de l'AES à, la réunion, la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères ici à Niamey. C'était le sentiment que les gens avaient. Et vous venez de donner les trois dimensions, n'est-ce pas, donc de, de la défense, la diplomatie et le développement. On a estimé que c'était surtout au niveau de la défense que le gros du travail a été, est en train de même de se, faire parce que la libération même de Kidal, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a joué l'armée nigérienne a joué. Le Burkina. et le Burkina ont joué, n'est-ce pas, une, grande euh, part, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer Kidal. Donc la sécurité était déjà en pole position. N'en déplaise, néanmoins, il va falloir penser aux, autres. Et sur le plan diplomatique Également sur le, point, sur le plan diplomatique. Et il faut nécessairement que le cadre soit institutionnalisé pour que des directives soient données et que les chefs d'État eux-mêmes se réunissent pour donner, n'est-ce pas, véritablement, et porter sur les fonds baptismaux l'AES et que les différentes institutions puissent être installées, les instances installées et puis, bon, travailler. Merci beaucoup, Ablaï Soumana. Memoune Diado, les chefs de la diplomatie et des États membres de l'AES ont également réitéré la nécessité de mettre en place des mécanismes de solidarité au sein de l'institution. Quelle est votre opinion à ce sujet mais c'est bien normal de mettre un cadre de solidarité dans cette institution qu'ils sont en train de créer, qui est l'AES. Parce que, je l'ai toujours dit, hein, nous sommes déjà trois pays qui partagent les mêmes réalités. Le Niger, le, Burkina et le Mali. Le Niger, le Burkina et le Mali. Quand tu te retrouves au Burkina, c'est comme si tu n'as pas quitté le Niger. Et quand tu es au Mali, c'est après la même chose. Donc, il faut qu'il y ait cette solidarité d'abord entre les peuples, solidarité entre nos gouvernants, parce que c'est nos gouvernants qui doivent d'abord montrer faire le, premier pas. Le bon exemple. Le bon exemple pour que les peuples aussi puissent suivre. C'est vrai, il y a toujours eu de l'entente entre les trois. Les populations se, comprennent, mais il faut renforcer euh, cette euh, solidarité entre nous, nous aider entre nous, savoir que nous sommes euh, en tout cas, euh, la, même, la même personne, les mêmes, peuples, les mêmes peuples, nous partageons les mêmes choses, donc les mêmes réalités. Donc il faut également, euh, pourquoi entre nous ne pas s'aider également solidairement Quand le Mali aura besoin du pétrole nigérien, il faut voir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les aider. Quand par exemple le Burkina Faso, le Niger a besoin de quelque chose au Burkina Faso, vous l'avez vu, les marchandises, il y a eu en fait une solidarité du peuple burkinabé et des autorités burkinabé pour pouvoir acheminer combien de camions ici quand on était dans cette situation Jusqu'à Terra. Jusqu'à Terra. Donc, ça veut dire que déjà, c'est un premier pas qui a été franchi. Cette solidarité existe toujours, mais il faut la renforcer, la solidarité. Et je suis totalement d'accord avec euh, cette initiative. Merci beaucoup, Memouna Diado, Hassan Boukar, avec euh, la participation active de l'ensemble des acteurs, y compris la société civile. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdullah Diop, a exprimé sa conviction que l'Alliance des États du Sahel pourra pleinement réaliser son potentiel et construire un avenir meilleur pour tous les citoyens du Sahel. Quels sont les autres défis qui attendent l'AES Merci. Je pense que le principal défi pour moi, c'est quand même la question sécuritaire. Je pense qu'au Niger, au Mali comme au Burkina, le principal défi aujourd'hui, c'est vraiment la question sécuritaire. Faire en sorte, par exemple, qu'on puisse euh, aller du Niger au Burkina, du Burkina au Mali et vice-versa. Euh, cela est-il possible Oui, évidemment. Je pense que c'est aussi le terrain sur lequel euh, les trois régimes sont attendus. Hein. Je pense que les raisons pour lesquelles Assimi Goïta, Traoré et Tchani sont au pouvoir, c'est aussi une façon de dire, avec les régimes qui sont tombés, la question de la sécurité n'a pas été bien traitée ils sont là pour traiter euh, le Mali, dit par exemple, que son intégrité territoriale même était menacée avec les Donc, la question de la sécurité, elle est vraiment la question centrale aujourd'hui. On parlait tout de suite du port de, Cotonou, des difficultés qu'il y a aujourd'hui entre les deux régimes. On a préféré le port de Lomé un des défis aujourd'hui, c'est de traverser la frontière. Le mec qui n'a pas quand même euh, respecté euh, la décision de la CDAO au profit euh, du Niger. Je pense qu'ils ont fait une lecture à eux. ils ont bien ciblé leurs intérêts et, je pense qu'ils ont été différents du Bénin, disons. Mais alors, aujourd'hui, quand on. C'est de bonne guerre selon vous oui, chaque pays lit ses intérêts, etc. Et donc aujourd'hui, un des défis sur le plan sécuritaire. Oui, oui, mais, mais, chaque pays lit ses intérêts. Quel intérêt le Bénin a en fermant sa frontière avec le Niger C'est la question à 1000 dollars. <laughs> en fait, c'est la question, je pense, que, à laquelle peu de Béninois ont trouvé une bonne réponse. Écoutez un peu ce qui s'est dit au Bénin dans le débat public. Ah oui, et même sur les réseaux sociaux. voilà, les gens disent, mais alors pourquoi le Bénin n'a pas fait comme le Togo, par exemple ah C'est quand même un débat. Il y a eu une volonté du régime béninois euh, d'être sur le même alignement que le Sénégal, d'être sur le même alignement que la Côte d'Ivoire, pour dire il faut aller, il faut taper Niamey, etc. Cette position, je pense que pour l'instant, beaucoup de Béninois ont du mal à se l'expliquer. Donc là, c'est une autre histoire. Mais en revenant sur la question de la sécurité aujourd'hui, un des enjeux, c'est de fluidifier l'axe Niamey-Lomé. Aujourd'hui, cette zone de trois Techniquement, c'est possible je pense, je pense que les, c'est possible et les États Malgré, euh, euh, en dépit de ce qui s'est passé euh, je, pense que justement, passé. Je pense que justement, tout, sur ces taxes. Oui, toutes les réflexions doivent être orientées de façon à pacifier ce taxe-là, notamment cette zone des trois frontières, faire en sorte qu'on peut circuler librement. Dori Voilà. Aussi longtemps qu'on ne circule pas librement, je pense que nous, ici, le ravitaillement du pays à partir du port va être extrêmement difficile. Les, va-et-vient des citoyens, les va-et-vient des biens entre, d'un côté, le Mali, le Niger et le Burkina, ça va être extrêmement difficile. Donc, pour moi, une des preuves, après la prise de Kidal, une des preuves que l'alliance entre les trois pays montre, et ça aurait été efficace sur la question de la sécurité, c'est de fluidifier la zone des trois frontières. Si aujourd'hui on peut circuler librement, fluidifier, euh, ça veut dire je, veux dire euh, aller en toute sécurité, en toute sécurité, c'est-à-dire traverser cette frontière, aller au Burkina, au Mali en toute sécurité, prendre du matériel. Euh, cela n'est pas pour demain. Moi, je me dis, il faut que ce soit pour demain ou même pour ce soir, parce que <laughs> oh, plus ça prend du temps, plus les gens doutent, plus ça prend du temps, plus le coût humain est lourd. Et plus euh, aussi les autres forces du mal auront le temps de, se, réorganiser. Le, coût, humain est dur. Je pense que rien qu'hier, avant-hier, il y a eu quand même des attaques dans, ces, dans cette zone-là. Et ça montre que plus ça dure, plus le coût humain être extrêmement lourd. Donc pour moi, le plus tôt serait le mieux. Il faut vraiment arriver à fluidifier, à la fois sécuriser les communautés qui vivent dans cet espace-là, faciliter le va-et-vient des biens et des personnes dans cet espace. Donc pour moi, le principal enjeu, c'est quand même cet enjeu sécuritaire. En dehors de ça, la gouvernance. Je pense que la gouvernance est un enjeu. On le dit de moins en moins maintenant. C'est-à-dire, une des choses qui a discrédité les anciens régimes, c'est la mauvaise gouvernance le détournement des biens publics, l'affairisme autour de la La corruption. Euh, voilà, le fait que les intérêts privés prennent le dessus sur les intérêts publics. Ça fait des vrais problèmes aujourd'hui. Je pense que à Niamey ou à Gakoma, comme à si la bonne gouvernance n'accompagne pas les autres actions, je pense que ça peut poser des problèmes à moyen et à long terme. Donc pour moi, prouver qu'on peut faire tomber un régime, prendre la place et faire mieux, c'est un enjeu important pour le régime. Donc, si les régimes militaires qui sont installés aujourd'hui dans ces trois pays ne peuvent pas faire la bonne gouvernance, ça va poser tout ou tard des problèmes. Pour moi, donc, la bonne gouvernance est un enjeu. On parle beaucoup aujourd'hui du pétrole. Il faut que la gestion soit transparente. Il faut que les revenus du pétrole soient réinvestis pour l'intérêt national. Il ne faut pas qu'il y ait des clubs privés comme on l'a vu de par le passé, se constitue pour capter toutes ces ressources-là au détriment du peuple nigérien. On parle beaucoup de l'or du Mali aujourd'hui, ça rapporte beaucoup d'argent. Il faut bien que ça profite, ou, l'or du Burkina, ou le coton du Mali, ou, l'uranium. Ces ressources-là, il faut aussi que les régimes qui sont là en place montrent qu'ils peuvent faire mieux que les autres régimes de façon à ce que ça puisse profiter. Voilà, merci beaucoup Hassan Boukara. Nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci à la technique assurée par Amina Hassan. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.